ya kanan taho zauna na baka batu na mu. warware batun wahayoyi shi ne tsatso na aikinmu fassara da yin shari'i a kullum idan ka kama mu don a sami tarbiyya gidan ka ka kama layinmu Adam Seydou qui va essayer de nous répondre quelques questions pertinentes. Ok, monsieur Adam, bonjour. Ah, bonjour, Blama. Ça va, comment va le travail Alhamdulillah. Les études Alhamdulillah. Ok, je voudrais vous poser quelques questions. Quelle est l'importance votre vie dans la vie quotidienne Ok, monsieur, monsieur Blama. Euh, tout d'abord, je remercie à Dieu le tout miséricordieux et le tout clément de nos jours, l'importance de l'école dans la vie quotidienne n'est plus à démontrer parce que euh, l'éducation, ou j'ai dit la connaissance, euh, ou l'éducation est l'arme la plus puissante pour combattre l'ennemi. Euh, nous avons un problème sur la connaissance, et plus particulièrement ici chez nous, ou bien plus précisément ici chez nous au village. Euh, nous avons mis dans notre, dans notre tête que nos problèmes est dans la misère subjective, dans la misère objective. Amen. Pourtant, nos problèmes, c'est résider dans la misère subjective. Les gens ont mis dans leur tête que ils ont un manque de moyens d'existence. Pourtant, ce n'est pas ça la vraie misère. La vraie misère est résidée dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par la misère subjective La misère subjective, c'est ce qui est lié à l'irrationalité, donc qui est lié à l'esprit de l'homme. Donc, quelqu'un qui n'a pas assez de capacité d'agir par lui-même, il est qualifié comme un sous-homme. Donc, pour se libérer de cette irrationalité, cherchons à améliorer nos vies, et surtout cherchons la connaissance pour bien vivre. Ok, merci beaucoup pour la première question. Ok, deuxième question. Comment préparer un examen Ok, euh, pour préparer un examen en tant qu'élève, il faut tout d'abord qu'il sache qu'il est dans une classe d'examen. Dès, la première, dès le premier jour de la rentrée scolaire, il faut qu'il aille à l'école. Parce que cela peut lui permettre de bien préparer ses cours, de, bien préparer ce, ces années, ou bien j'ai dit son examen. Parce, parce que si on fait tout devant lui, cela peut lui permettre de comprendre certaines notions de cours. Et s'il part en retard, tu vois, c'est pas facile. Même pour recopier le cours, ce n'est pas d'abord facile. Et s'il aura même la chance de recopier ce cours, il ne peut pas comprendre très profondément euh, certaines notions ou bien euh, s'éducation de certaines notions de cours. Donc, tu vois, ça, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut qu'il étudie beaucoup et il planifie, il planifie les choses. Dans la journée, il peut se faire euh, un plan taille ou bien un emploi. C'est dans la journée et même dans la nuit. Il y a le moment de dormir, il y a le moment de de d'étudier. En fait, bon, voilà en quelque sorte euh, ce que qu'un bon élève doit faire euh, pour préparer un examen. Ok, merci beaucoup pour la deuxième question. Nous devons passer donc pour la troisième question. Quel conseil que pourrez-vous donner à nos parents pour la progression de nos études Ok, c'est aussi une question très pertinente. Ok, euh, nos parents, il faut que nos parents sachent que de nos jours, ce n'est pas seulement d'avoir un emploi, mon enfant, comme mon, comme mon fils aura un matricule. Ce n'est pas seulement ça l'importance. Il faut que nos, nos parents fassent sortir une stratégie, ça veut dire une ruse, une ruse qui peut aider, qui peut les aider à la progression des études de leurs enfants. Par exemple, en tant qu'enfant, tu as un 10 000 tu peux acheter une chèvre et tu élèves ce chèvre durant un an, deux ans. Si, dans le cas possible, on demande à ton enfant les frais de scolarité, tu peux aller vendre cette, ces chèvres pour venir payer euh, l'argent ou bien pour venir euh, payer euh, les frais de scolarité de ton enfant pour ne pas beaucoup souffrir. Parce que Ok, merci, merci Monsieur Blama. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. c'est bon, c'est gentil. Merci, merci. Ok, voilà, en quelque sorte, Monsieur Adam, les questions que vous avez répondues. Ok, c'est bien, merci Monsieur Adam, c'est gentil, c'est gentil. merci beaucoup.